Salut les amis du Patriot Inter, merci encore de la confiance renouvelée les gars surtout Wayland dit abonné, Wayland dit like, Wayland dit bye, c'est les commentaires. Yenyep, vous avez suivi pour la plupart le match d'hier entre Liverpool, plutôt entre Chelsea et Newcastle. Yenyep, c'est un match bobo. Nous bari ñi don xaar nan lutax ki nga xamné moy Edouard Mendy nekul ci cage ñu jël Kepa Arrizabalaga. Man mi sax bon à un moment donné, je suis allé il faut voir au niveau du site de Chelsea, au niveau des sites de sport pour voir si Edouard Mendy était blessé ou suspendu quelque chose du genre mais gisuma lenn loo ne Edouard Mendy c'est juste Thomas Tuchel mo jël ki nga xamné moy mooy Kepa Arrizabalaga tegaat ko ci camp ndax néna soi-disant oui Kepa match bi ñu génnoon coupe il avait fait un bon match beaucoup de confiance donc motax ma maintenir ko mu défat euh, même match pour amad confiance Edouard Mendy d'un côté il a déjà de la confiance dina jouer parce que mon confiance il faut que maintenir ko mais gars ce gars là est-ce qu'il pense bien est-ce que le gars là il réfléchit est-ce que Thomas Tuchel normalement est-ce que Thomas Tuchel il n'est pas en train de nous faire ce qu'il avait fait au niveau de euh, du Paris Saint-Germain ndax gis non, ko Maria à un moment donné le na ko joueur euh, gis il n'est pas sain dans sa tête quoi qu'est-ce qui lui arrive en tout cas je ne suis pas le seul du que' c'est ma constaté lu que qui qui Thomas Tuchel de jouer avec le feu film de Nimo, dai de de foo nga supporter Chelsea Chelsea hein. il a jamais joué à Chelsea c'est un ancien une légende du football à Manchester United Mui Gary Neville Gary Neville donc lui c'était même un capitaine emblématique de euh, bien entendu de Manchester United c'est le frère de Phil Neville Moi, nee tout, fi lu gardien ben Edouard Mendy Kepa Arrizabalaga mon le gardien le plus cher par rapport à ñu ko jëndee Angleterre Premier League ki a ramené moi Lampard moom mon bon ba mu ñëw. mu ñëwee fa la ko fekk mu ñëw ndax sari moo indi mais quand même le nekk jëm na ko def ak Kepa Kepa prouvé wul mu indi Edouard Mendy Edouard Mendy def ay match du battre ay record clean sheet clean sheet mu qui euh, euh, Thomas Tuchel indi Edouard Mendy pendant non Edouard Mendy est-ce qu'il sera à la hauteur est-ce que Thomas Tuchel du indi Kepa a. mu enchaîné yenen clean sheet gagné avant Kobe. Edouard Mendy daf rassuré il est hyper fort te joue système tout part du gardien et que Edouard Mendy a été à la hauteur mu a ah, il joue avec le feu quoi il n'hésite pas à opérer des choix forts en tout cas il n'y a est-ce que de stupidité parce que comment tu peux aligner Ben Ari Balara Ari Ban Bala Balaga comme je le nom déjà moi loolu au profit d'Edouard Mendy moom nee na tamit li mu jàpp rek fi mu de l'arrogance de l'arrogance le ki nga xam di Thomas Tuchel daal di def il ne comprend pas le choix il n'a rien contre ki nga xam ne mooy Kepa Ari Balara mais tey li mu mën a wax rek mooy que Edouard Mendy il est au top de sa forme c'est un gardien qui a prouvé ki nga xam tamit c'est un des meilleurs gardiens dans de son passage hein ci ci championnat Angleterre ci Chelsea ci Arsenal nga xam ne tey mooy Petr Cech moom moo nañu jëli gardien il a amené mon moo nekk Edouard Mendy pour l'amener au niveau de Chelsea et Frank Lampard l'a amené Frank Lampard donc il avait beaucoup de confiance en Edouard Mendy mais quand même il fallait que ne moquait pas. Kepa kan mooy ñëw gardien voilà module jël li nga numéro 1. bi ci finalement le gars il a enchaîné 5 clean sheets L'Edouard Edouard Mendy continuer de def 5 clean sheet il a barrément battu tous les records bu a commencé jouer un euh, problème de défense il a encaissé quelques buts c'est normal parce que il n'est pas également un gardien boo xam football Dougal. mais quand même continuité bon ñu ñëw a commencé à me confiance Chelsea commencé me confiance Thomas Tuchel il doit bien Ben mais le gars là on se demande si carrément Thomas Tuchel il est sain d'esprit c'est vrai qu'actuellement Chelsea fait de bons résultats Chelsea fait des résultats mais bu continue il risque d'avoir des problèmes parce que tamit Hakim Ziyech avant Thomas Tuchel avant ñëw avant blessé c'était le meilleur passeur de Chelsea teg bon N'Golo Kanté mi nga xam le milieu de terrain la nga xam Thomas Tuchel da ko bëggoon a fa nga xam Chelsea yobu ko Paris Saint-Germain moom bu ñëwé mu né euh, ki nga xam moy mooy N'Golo Kanté dama bëggoon mu ñëw Paris Saint-Germain ñëw na fekk ko chance la ci man mi ngi bon Edouard Mendy ñëw di def ay match il a enchaîné des matchs et des matchs des clean sheets et des clean sheets ñëpp di wéy di wax naan actuellement il est l'un des meilleurs gardiens d'Angleterre et même du monde ki nga xam moy Gary Neville il n'est même pas voilà de blues hein il n'est pas même supporter de blues lui il a fait tout son parcours recours fi Manchester United Guin wax ça montre également que Edouard Mendy c'est un bon gardien mais également Thomas Tuchel tout ne va pas chez lui quoi mais le gars là en tout cas les gars je ne sais pas comment mais Thomas Tuchel il y a encore des choses à dire sur cet entraîneur il fait des résultats mais quand même équipe que nous qu'on changer non il a commis les mêmes erreurs au niveau de Paris Saint-Germain te Nefi Kepa il est bien c'est un bon gardien mais de moins que c'est le futur euh, Casia, c'est le futur voilà De ainsi de suite il n'a pas fait ses preuves gain c'est pas parce que voilà on est de telle nationalité ou telle autre nationalité mais Edouard Mendy il a fait ses preuves il faut respecter le gars il faut respecter le football il faut respecter les supporters du Blues les gars continuez à vous abonner Willing, abonnez di like commentaires ça se passe ici sur le Patriot Inter